Ce jour-là, ta mère, elle a l'impression qu'elle allait mourir, tellement les douleurs, elles sont intenses. Et les hommes, on ne sait pas de quoi on parle quand on parle de cela. Il n'y a qu'une femme qui peut l'expliquer. Quand ta mère, pendant deux ans, elle t'a allaité, elle dormait pas la nuit. Pendant deux ans, tu lui as perturbé son sommeil. Quand tes parents, à 4 heures du matin, ils sont levés pour aller travailler, pour t'acheter des vêtements, quand lorsque tu es malade, ta mère, elle trouve pas le sommeil. Même quand tu as 30 ou 40 ans, si tu rentres à 1h du matin, ta mère, elle t'attend encore pour demander de tes nouvelles ou pour te préparer à manger. Qui va se comporter avec toi si c'est pas ta mère et ton père Qui va se comporter comme ça avec toi Et nous, on est gentils avec nos copains. À n'importe quelle heure, on répond à l'appel de nos amis qui nous demandent de l'aide, on, les aide. Mais est-ce qu'on aide nos parents Est-ce qu'on est à leur écoute Est-ce qu'on leur donne du temps Est-ce qu'on leur montre du respect Les anciens, ils disaient, Zayd al-Abidin, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, il disait, on lui disait, toi, tu es quelqu'un de, très bon avec tes parents, pourquoi tu manges jamais avec ta mère Il dit, parce que j'ai peur, si ma mère, elle voit dans l'assiette quelque chose qu'elle a envie de prendre, et si je le prends avant elle, j'ai peur qu'Allah, il compte cela comme la désobéissance. Et il disait, rien d'étonnant cela. Il disait, ceux qui ont vécu avant nous, ils considéraient comme un manque de respect envers les parents que d'habiter au premier étage et que de laisser habiter les parents au rez-de-chaussée. Regardez jusqu'où ça allait. Allahu Akbar. Le simple fait d'être au-dessus de sa mère, au premier étage de sa mère, le rez-de-chaussée, il considérait ça comme un manque de respect. Et d'autres chez les Sahaba, ils disaient, quand il y avait un scorpion qui est rentré dans un trou, il a mis sa main et il s'est fait piquer. On lui dit, pourquoi tu mets ta main alors qu'il y a un, scorpion Il dit, parce que j'ai peur que ce scorpion il sorte et qu'il ne pique ma mère. Regardez le respect. Et regardez aujourd'hui l'attitude des enfants envers les parents. Regardez ne serait-ce que le regard, les yeux. Wallahi mes frères, si nos parents, ils invoquent contre nous, Allah c'est c'est pour nous le malheur dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Allah Azzawajal, par l'intermédiaire du prophète, il nous dit qu'Allah il a interdit le paradis. Interdit le paradis à celui qui désobéit à ses parents. Donc attention mes frères, à ne pas causer du tort à nos parents, à ne pas leur manquer de respect, mais soyons plutôt à leur écoute, soyons plutôt bons, miséricordieux pour eux. Et ceux qui doivent le plus profiter de notre générosité, notre douceur, notre bonté, notre bon comportement, les premiers à, profiter de cela, ça doit être nos parents. Parce que viendra un jour où ils vont partir, et le jour où ils vont partir, tu vas regretter. Et tu vas dire, ah, si je pouvais encore faire du khair à mon père, si je pouvais encore faire du khair à ma mère. Nous récoltons vos dons pour la construction d'une nouvelle mosquée à Wa Walillah ilham, Barakallahu fikum. Qu'Allah il accepte ces dons de votre part. Et continuons, Inch'Allah, Et bidnillah, dans pas longtemps, on espère avoir de bonnes nouvelles. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamkumullah.